lassant, lassant, lassant, lassant means useless. Lassant means useless. Couillet, yẹ ọmọ lásán sí àwọn òbí rẹ. Kò yẹ kó jẹ́ ọmọ lásán sí àwọn òbí rẹ.